à et partout au Niger, à chers auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalango, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce numéro, le premier de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalango. Je suis Samira Rafi en compagnie de Ravia Issoufou Mekano pour la présentation. Bonjour Ravi. Bonjour Samira, en forme Oui, ça va, Dieu merci. Alors, on fait aussi un petit coucou à tous ceux qui sont à la régie. Il s'agit de Issa Lawali à la technique et à l'édition Adama Dawaki. Alors Samira, quel est le menu du jour comme d'habitude, ma belle, il y aura le flash d'information pour débuter, puis une bonne dose de musique nigérienne spéciale Love aujourd'hui. Et pourquoi Nous sommes à deux jours d'un jour spécial, je te laisse deviner. Pour la suite de notre programme, chers auditeurs, vous suivrez la rubrique justice du lundi, la chronique Lotti avec le desk femme du studio Kalango, la page sport avec notre chroniqueur Hasumi Goruza. Then uh, we are going to talk about love again, ça sera dans la partie Easy English, culture linguistique. Pour l'entretien du jour, nous recevons dans ce studio Ahmed Barry. Il est coach en développement et transformation personnelle. Il est surnommé le mécanicien de l'âme. Nous allons le savoir dans un court instant. Alors, installez-vous confortablement. On est parti pour une heure de bonheur sur le studio Kalango. Sans trop tarder, voici le flash info avec Mokhtar Hamadou. Bonjour, Bonjour Mokhtar. Bonjour Rabia, bonjour Samira, le flash d'information à présent. Le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Kiani, a évoqué hier dimanche une, interview, une, dimanche, une possible création de monnaie comme avec le Burkina Faso et le Mali. C'était à l'occasion d'une interview exclusive qu'il a accordée à la télévision d'État la monnaie, c'est un signe de souveraineté. Les États de l'AES sont engagés dans un processus pour recouvrer leur souveraineté totale. Cependant, le président n'a donné aucune précision sur la possible mise en circulation d'une future monnaie. Le marché Harobanda euh, au cinquième arrondissement communal Niamey, victime d'un violent incendie samedi et tôt le matin. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais on enregistre un important dégât matériel. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. En sport, la, Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Elle décroche sa troisième consécration continentale contre le Nigeria par le score de 2 buts à 1 à l'issue de la finale qui s'est jouée hier dans la soirée. Ainsi, les éléphants remportent la troisième canne de leur histoire. Nous reviendrons en détail dans la partie sport de cette émission. Et c'est tout pour le flash d'information de ce lundi 12 février 2024. Merci Mokhtar pour toutes ces informations. Très bonne journée à toi, cher auditeur. Comme annoncé tantôt, nous sommes avec Ahmed Barry, le mécanicien de l'âme. Il est jeune coach en développement et transformation personnelle. Depuis bientôt 5 ans, il est le fondateur et le directeur d'AB Coaching International. Il va nous expliquer aujourd'hui comment on peut se transformer et surtout comment y arriver. Bonjour, Ahmed. Bonjour mesdames. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, savourons la première note musicale de notre sélection d'aujourd'hui. C'est le mois où l'on célèbre l'amour. Ah, tu l'as bien deviné. Ouais, c'est dans deux jours, Inch'Allah. Donc, on a choisi pour vous, chers auditeurs, des love songs. Voici pour vous le titre Sanki de Ismoan. On écoute. Si seulement tu sais à quel point je tiens à toi. Tu n'allais jamais en aucun cas t'éloigner de moi. On s'était promis amour, confiance et joie. Mes sentiments sont verts et tes doutes de moi. Souviens-toi de ces bons moments qu'on a passés. Rappelle-toi, nous nous sommes aimés sans préjugés. Pardonne-moi pour le mal que j'ai pu te faire. Comprends-moi, pour mes enfants c'est involontaire. for ah. ah. c'est un langue Hausa et ça veut dire tout simplement t'aimer. C'est un titre qui a été apprécié dès sa sortie il y a déjà 7 ans, car il met de l'ambiance dans les bistrots et dans quelques boîtes de Niamey. Evi Ravi, depuis Ismoan a enchaîné les collaborations à succès avec des artistes comme Al Radi, Kem Diemko et bien d'autres. Si c'est les mots à l'eau de rose, c'est vraiment sa spécialité. Ah ben ouais Chers auditeurs, euh, c'était là le titre Sanki de Ismoan. Retour au studio en compagnie de notre invité du jour, euh, le mécanicien de l'âme Ahmed Bari, coach en développement et transformation personnelle. Rebonjour Ahmed Bari. Alors, comment vous nous définissez développement et transformation personnelle Quelle nuance entre les deux euh, D'accord. Alors déjà, merci pour l'invitation. Ça fait très très plaisir. J'aime beaucoup l'ambiance et la passion que vous dégagez quand vous parlez. Alors, le développement et la transformation, c'est presque la même chose à deux différences près. Le développement, c'est quand tu pars d'un point A à un point B selon une dynamique précise, une constante précise. La transformation, c'est quoi C'est lorsque tu es en train d'aller sur un chemin et tu changes de chemin. Par exemple, le développement, c'est passer de confiant à plus confiant, de maître de soi à plus maître de soi, de calme à plus calme, de riche à plus riche, ça c'est un développement. Mais une transformation, c'est passer de timide à confiant, de impulsif à calme. Donc la transformation, c'est la capacité que tu as de faire un rond-point entre griffes. Quand tu conduis et tu fais un rond-point pour prendre une nouvelle direction. Donc ça la différence. Le développement personnel, c'est la capacité à devenir meilleur dans la même euh, dynamique. La transformation, c'est la capacité à devenir meilleur en changeant de dynamique. Voilà un peu la nuance entre les deux. En vraiment une maîtrise de ces sujets. Alors, Ahmed, dans quel genre d'école peut-on étudier votre métier Vous, personnellement, quel est votre cursus pour aboutir à cette profession alors ça c'est une question que je pense qui m'a été posée très longtemps parce que déjà généralement les coachs c'est des gens qui ont 35 ans, 40 ans, 50 ans ou 100 ans, des gens qui sont à, la Oui j'ai 25 ans, bientôt 26 ans. Donc ce qui fait que ce n'est pas un parcours classique. Euh, pour faire simple, je n'ai pas aimé le parcours scolaire. Pas que je recommande aux gens de l'arrêter, parce que ça dépend. Si tu veux être médecin, tu vas à l'école forcément. Tu vas pas arrêter euh, à l'école pour ça. Mais moi, je suis plus quelqu'un qui aime aider les gens. Depuis toujours, je pense que dans un groupe d'amis, il y a toujours celui qui, tout le monde vient se confier. Il y a toujours quelqu'un comme ça. Oui, c'est ton cas. Je vois, tu t'indexes. Tu, tu donc j'étais celui qui, partout où je vais, j'ai habité au moins six quartiers différents, de différentes couches sociales, et partout c'est à moi, on vient parler quand il y a un problème. Dans les équipes de football, j'ai le capitaine d'équipe. Partout où on va, je suis un peu dans une posture où je suis celui que les gens consultent le plus. Donc ça crée à moi cette envie d'aider, et naturellement je sais parler j'aime parler, je sais parler. On peut parler H24 si tu veux, tant que c'est intéressant. Alors, Jacques <laughs> mécanicien, comment cette aventure de coach a-t-elle commencé pour toi au Niger D'accord. Alors justement, ça a commencé lorsque j'étais en troisième année de finance banque. J'aimais pas trop le cours, pour dire la vérité. Donc, comme je suis assez têtu, j'ai arrêté et j'ai rencontré monsieur, euh, mon coach actuellement, euh, qui dirige une boîte de coaching ici au Niger. Et j'ai fait un stage de quatre mois avec lui. C'est là que je me suis dit, mais c'est ça. C'était comme, tu vois, tu cherchais un truc depuis 20 ans. Ouais, le déclic. Tu te et tu dis, mais c'est ça. Parce que c'était un métier où tu parles. Et toi, tu aimes parler. Et j'aime parler. Maintenant, ça, c'est pas juste parler, il faut aussi chercher. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Donc, c'est là où tu te mets dans les expériences, tu lis des livres, environ 200 en, en 5 ans ou plus que ça. Tu fais des interviews, tu fais des émissions, tu fais des recherches, tu lis des vidéos, tu recherches, tu cherches tellement la connaissance utile aux gens parce que les gens aiment avoir des stratégies précises par exemple, c'est comme dans, le cas du mariage, on, parle de l'amour. Quand quelqu'un souffre dans son mariage, on dit kalsuru. Alors que les gens, ils veulent plus que kalsuru. Ils veulent pas kalsuru. Ils veulent quelque chose qui va les aider. Donc, c'était juste trouver cette voie que j'ai trouvée en 2018 et maintenant chercher toute la connaissance, les stratégies qui vont aider les gens. Voilà un peu comment ça a commencé et c'est un développement continu. Voilà ce qui nous amène à pourquoi développement et transformation personnelle, quel était le motif Est-ce qu'il y avait un besoin Il y a toujours un besoin toujours un besoin. C'est comme les, alimentations. Il n'y en aura jamais assez parce que les gens mangent toujours. Maintenant, les gens aussi, ils ont des émotions, ils ont des problèmes dans leurs relations, ils sont souvent traumatisés, tout ce qui va avec. Donc, autant que les humains vont rester en vie, cela va continuer à être un besoin pour aider les gens à aller mieux. Votre méthode de travail, elle est multiforme, visiblement. Mhm. Comment l'expliquez-vous aux gens Alors, euh, la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu veux du résultat avec les gens, généralement, tu dois oublier les idées reçues. Premièrement, on est dans un siècle où les choses sont nouvelles. Le 21e siècle, il est complètement différent des siècles précédents. Donc forcément, si je veux avoir du résultat, il faut que je me demande qu'est-ce qui marche. Et pour savoir ce qui marche, il faut d'abord avoir une connaissance pointue du comportement humain. Et c'est ce que j'ai réussi à faire après 4 euh, ans de recherche. J'ai trouvé un schéma de 42 éléments qui explique avec précision n'importe quel comportement. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un lui-même peut avoir comme comportement qui ne pourra pas t'expliquer avec ce schéma que j'ai pu mettre en place. Donc maintenant, avec ce schéma que j'ai de 42 éléments, quand quelqu'un me parle, je sais exactement à quel niveau se trouve la faille et comme un bouton, tu appuies seulement sur ce bouton-là et ça passe. Donc euh, maintenant, une fois que tu as cette connaissance-là, maintenant c'est le cadre que tu vas créer. Et c'est là où j'ai créé, pu créer un cadre de, de, avec des parfaits inconnus qui se font confiance, des gens qui ne sont jamais vus, ils viennent, ils se racontent leur vie parce que le cadre, il est confiant, il est, il est sécurisant entre dans le sens émotionnel. Et j'aimais beaucoup de choses comme euh, de la musique, de la zumba, de, de, du fitness, de la méditation, du climbing, de la marche sur le feu, beaucoup de choses qui, qui permettent aux gens d'avoir une expérience vraiment réelle. Alors, on va revenir sur la marche sur le feu, mais alors là, pour mon cousin qui vit au fin fond du Damagaram, mhm. peut-il bénéficier de vos services ou bien vous avez une cible bien déterminée Alors, étant une entreprise, il est vrai qu'on a une cible bien déterminée, mais l'avantage c'est qu'on est nigérien et on parle nos langues locales. Pour l'exemple, en 2022, j'ai fait des formations à Goté et à Banibungu, je sais plus, j'ai oublié le, nom du, village. On a fait une formation à Hausa en Zarma avec euh, les gens là-bas. Et avec mon collègue, on était allés ensemble. Lui, il a géré l'aspect technique, moi, j'ai géré l'aspect humain. Et on a tenu ça en langue Zarma. Donc, il y a une façon que j'ai de pouvoir communiquer avec les gens. Maintenant, étant une entreprise, bien sûr, il y a une cible bien définie, bien précise. Mais de façon générale, n'importe qui peut avoir ces services-là. Super, et eh bien Ahmed, nous avons retenu pour cette première partie que euh, cette aventure, elle a commencé pour vous depuis longtemps et que le besoin y est, d'où euh, ce schéma et cette voie que vous avez suivi dans le seul but d'aider les autres à aller bien. Alors, chers auditeurs, avant de continuer, soufflons en musique de la romance encore. Voici pour vous le titre L'amour d'Abdelzamani et Hood Kid. looking on you, Shorty, will you let me? It's your boy HK, baby. Ooh. Ooh. DH Nigeria. Oh, shorty, will you love me? Father, will you, babies? Love it when you call me Mr. HK, baby. I can get you anything, you know I got money. I'm a superstar and everybody know me, yeah. It's hood kid, and some money. When we sat down, what the girls want for we. Oh, fam, baby, you got me going crazy, oh. I no go lie, you, oh, I love oh, you. Oh, you didn't make her crazy, oh. Shorty, you they make her crazy, oh, You make her crazy, oh, Your love they make her colorable, oh, ah. Lam l'amour à l'enfou, l'amour à malade, l'homme Nin nega nin nin nega my baby, nin nega nin nin nega my baby. L'amour à l'homme dingue, l'homme fou, l'homme malade. Je vous jure, cette fille, elle est on dirait moi, mais m'attend juste pour te dire, tu es la meilleure chose que m'est soit arrivée. Je t'aime à un point que tu ne peux plus imaginer. Santa Yo estoy come pato ngordelo J'ai jamais topé de t'aimer même une seule seconde My baby girl, my baby girl Ninne gappa, ni bat na Guga hai fote se binara Tay moindi ninna si cani kani kani Wakul nega ba madini na yarga Si tu mérites mon bonheur, tu connaîtras le bonheur Ma baby girl my baby girl, l'amour à l'homme l'amour à l'homme fou, l'amour à l'homme malade, Nin nega pa, nin nin nega pa, my baby, nin nega pa, nin nin nega pa, my baby, l'amour à l'homme Alors, Samira, tu as bien chanté. Hein. <laughs> Alors, le clip de ce titre que vous êtes en train d'écouter a été tourné dans la sous-région. Il est sorti le 2 février 2016. Et oui, ce n'est pas un hasard vu que le tube a fait un carton durant cette année même et à l'occasion de la fête de Saint-Valentin au cours de la même année et plusieurs années de suite. Ça me fou. le titre L'amour de Abel Zamani <clears throat> en collaboration avec Hoodkid. Un titre que nous dédions à tous nos auditeurs avec lesquels on partage beaucoup d'amour sur cette émission. Alors, chers auditeurs, Poursuivons avec le développement personnel. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes dans ce studio avec Ahmed Barry, le mécanicien de l'âme. Alors Ahmed, comment procédez-vous en général Nous voulons savoir. Euh, ça, c'est une question très, très, euh, très large, je vais dire, parce que ça dépend des gens, de la façon euh, comme les médecins. Tu vois, quand quelqu'un étudiant en médecine, souvent il fait pitié, parce que les cours qu'il doit apprendre, c'est tellement beaucoup de choses. Parce que justement, le corps humain est tellement complexe et tellement structuré qu'il faut avoir une connaissance pointue de la chose pour pouvoir aider quelqu'un. De la même façon, l'être humain de façon générale aussi est très large et très vaste. Donc, c'est plus un truc euh, contextuel. Il n'y a pas de technique euh, miracle. Si je peux résumer la formule, c'est comprendre exactement c'est quoi le souci, pouvoir le déceler parce que beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils ont comme souci. Beaucoup de ah gens. Tu, vois Donc on commence par ça. Maintenant, une fois qu'on a trouvé ça, c'est comprendre ce que j'appelle euh, l'équation comportementale comme en mathématiques, j'aime pas les maths, mais bon, ça a son sens. Il y a une équation qui montre que voilà ce qui s'est passé, tu as réagi comme ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus telle parole, telle intention, telle émotion. Voilà le schéma qui donne ton comportement. Et dans l'équation, il y a toujours une faille. Et c'est la faille qu'on corrige. Et quand on la corrige, parce que l'être humain est la seule créature qui peut aller dans le temps, entre griffes, euh, pour se faire comprendre, dans le temps pour changer une signification et ça a un impact sur le présent. C'est comme quand quelqu'un te déçoit aujourd'hui, mais après, deux jours après, tu apprends pourquoi il a fait ce qu'il a fait et d'un coup, la décision disparaît. Mm-hmm. Donc, c'est comme si c'est un voyage dans le temps que tu fais pour corriger l'interprétation que tu as de ce qui s'est passé. Mm-hmm. Donc, c'est comprendre ce que la personne a comme souci, trouver l'équation comportementale, appuyer sur la faille et la guérison s'opère. Alors, est-ce que le coaching, c'est quelque chose qui est fait euh, beaucoup ici au Niger. Ce que je veux savoir exactement, c'est est-ce que vous êtes beaucoup à faire du coaching et euh, comment est-il perçu par la société dans laquelle nous sommes Alors, euh, le coaching, on n'est pas nombreux. Les gens font des formations et mhm. souvent c'est assez déplaisant euh, de voir quelqu'un parce qu'il fait des formations, on l'appelle coach. Mhm. alors que c'est deux choses différentes. C'est comme quelqu'un qui fait ses petites vidéos sur, sur, sur Facebook mhm. et vous, vous voyez qu'on l'appelle journaliste, alors que c'est pas la même chose, carrément. Donc, on n'est pas nombreux, on est vraiment très peu, si je peux dire ça comme ça. Et même en ce qui me concerne, c'est après trois ans d'activité que j'ai accepté comme appel coach. Sinon, avant, je refusais parce que je connais la portée du, titre. C'est comme un étudiant en médecine qui s'appelle déjà docteur, alors qu'il n'a pas soutenu. Mhm. Donc, j'étais plutôt conférencier au début. Ensuite, je suis passé à formateur en 2020, début 2021. Maintenant, en fin 2021, quand je vois des gens guérir de, de dépression, de traumatisme, j'ai dit, OK, là il y a du résultat, donc là je peux accepter. Donc c'est en 2022 que j'ai commencé à accepter qu'on m'appelle coach. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, ils sont très peu et j'espère qu'ils le font très bien. Oui, et quelle était la perception de la société Alors, euh, on a une perception assez bizarre parce que les gens croient beaucoup au destin d'une certaine façon et quand quelqu'un souffre par exemple, pour lui, non, c'est que c'est Dieu qui a fait qu'il souffre. Donc lorsque tu lui présentes une solution qui peut l'aider à aller mieux, ils sont pas très réceptifs. Et encore plus quand c'est fait par un jeune parce que j'ai fait beaucoup de vagues, pour ceux qui, me suivent sur Facebook, et je me suis pointé à, 20 ans, le plus jeune coach de l'histoire du Niger. Je pense même que je suis parmi ceux qui l'ont rendu populaire, parce que j'étais sur Facebook depuis 2012, et avant que je ne fasse ça publiquement et qu'on commence à en parler, il y avait très peu, sinon pas du tout, du mot coach. Il y a beaucoup, beaucoup de formateurs, experts, conférenciers, speakers, mais le mot coach est devenu viral ces dernières, années parce que je pense que je me suis affirmé dessus et ça est devenu beaucoup plus public et les gens ont connu ça. Est-ce que là, si on parle en termes de formation que vous vous avez reçue dans ce domaine, mhm. est-ce que vous avez euh, des diplômes, c'est ça Vous avez été euh, diplômé en quelque sorte Non. Euh, de ceux que je suis, de ceux qui pensent que le meilleur diplôme, c'est le résultat. C'est le résultat que tu produis qui va dire est-ce que tu es compétent à faire la chose ou pas. Mhm. Et bon, peut-être que c'est un système assez américain, c'est pas très francophone, mais j'ai pas de diplôme dans ce domaine. Tout ce que j'ai, c'est une expérience qui s'est avérée. Et aujourd'hui, euh, Dieu merci, ça montre parce qu'il y a des gens qui sont qui ont deux fois mon âge, qui ont plus de diplômes que moi, qui sont côtiers par moi. Mais non, je ne m'en vante pas. C'est juste euh, un travail qui a été fait et ça permet aux gens de voir que réellement c'est la compétence qui peut de faire un métier et non pas le diplôme. C'est vrai que ça bloque les gens parce que souvent ils disent il n'a pas de diplôme, mais le résultat parle. Ouais, de lui-même. Alors, le changement obtenu lors de ces transformations est-il permanent est-ce que ça marche vraiment eh On veut <laughs> savoir sur le long terme. Très, très bonne question. Alors, ça dépend des choses. Par exemple, lorsqu'une personne, je prends un, cas pratique, on est, attention, âme sensible, j'avais une cliente qui, à l'âge de 6 ans, a été violée par deux de ses oncles. Maintenant, ça, ça crée un traumatisme chez la personne. Elle peut passer 15 ans de sa vie triste, dépressive, tout ce qui va avec. Donc là, c'est un dérèglement de l'état émotionnel de la personne. Donc quand on travaille sur la personne et qu'on change cela, ce qui s'est passé ne va plus l'empêcher, elle ne va plus la traumatiser entre griffes. Certes, elle s'en rappelle parce qu'on ne peut pas oublier, à moins de lavage de cerveau, elle s'en rappelle, mais l'émotion ressentie change. Mais maintenant, après, pour une personne qui veut être disciplinée, la discipline, ça c'est un effort constant. Donc là, on peut te faire une formation, on peut donner les outils, on peut te donner les techniques, mais après, il faut un effort conscient de ta part pour maintenir cela au fur et à mesure. Mais la, dépression, un truc, un traumatisme, là, quand on le change, ça c'est permanent à moins que quelque chose de semblable se reproduise et que tu retombes dedans. Mhm. Donc ça dépend de ce, ce qu'on a travaillé. Quand c'est une chose qui n'est pas ponctuelle, ça change pour toujours et c'est parti. Quand c'est un truc qui est ponctuel, là il faut un effort conscient de la personne pour continuer à maintenir cette transformation-là. Alors, euh, nous sommes à la fin de nos échanges avec toi, mais il y a une question qui me taraude l'esprit. Quel est l'impact de votre vie professionnelle sur votre vie personnelle Alors, voilà une chose très importante. Dernièrement, je parlais avec des amis, je leur ai dit, c'est assez bizarre parce que euh, j'ai l'impression que je ne travaille pas comme tout le monde parce que techniquement, je bosse du réveil au sommeil. Parce que je peux être à 22h, je suis rentré à la maison, mais j'ai mon téléphone, je suis en train encore de, continuer à coacher des gens, mhm. à répondre aux messages. Donc techniquement, quand tu te mets dans une vie comme ça, dans une carrière comme celle-ci, tu n'as pas de vie personnelle réellement, entre griffes. C'est-à-dire ta vie personnelle doit se cadrer sur ta vie personnelle. Tu peux pas en fait faire la différence de, dire genre séparer la vie personnelle et la vie privée. Ça c'est pour ceux qui travaillent de 8h à 18h, c'est mhm. fini. Mais mhm. lorsque tu as un métier qui qui occupe tout ton temps, la vie personnelle doit obligatoirement se cadrer sur la vie professionnelle. Sinon, ça ne marche pas. Ok. Ahmed, merci d'avoir répondu présent à l'invitation du studio Kalangu. C'est un plaisir. Une autre fois avec euh, le coach, euh, le mécanicien de l'âme. Eh oui. Passez une excellente journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Alors, euh, Samira, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Pour la rubrique justice de ce lundi, nous allons parler de la personnalité juridique en droit. Nous verrons ce qu'est la personnalité juridique, comment s'acquiert cette aptitude. Suivant cet entretien réalisé par notre reporter Tarnan Foudé Ahmed et le juriste Abdelrazak Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou. La personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire des droits et des devoirs. D'un point de vue positiviste, la personnalité juridique est donc une fiction juridique qui est attribué aux personnes physiques et aux personnes morales. Comment s'acquiert la personnalité juridique En principe, la personnalité juridique s'acquiert par la naissance, si l'enfant naît vivant et viable. Donc, l'enfant doit remplir deux conditions pour se voir reconnaître la personnalité juridique. D'abord, il doit être né vivant. Ce premier critère eh, n'appelle pas de commentaire particulier. Ensuite, l'enfant doit être né viable. Il faut savoir qu'un enfant qui n'est pas né avec les organes nécessaires et suffisamment constitués pour lui permettre de vivre. Ainsi, l'enfant qui naît trop prématurément et dont le décès est inévitable n'a donc pas la personnalité juridique. Y a-t-il une exception à l'acquisition de la personnalité juridique à la naissance Il existe une exception au principe. Il s'agit de l'enfant sans vie. Et dans ces cas, eh, l'officier d'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Et ici, il faut que l'enfant soit né vivant, mais non viable, ou qu'il soit mort-né, c'est-à-dire mort au moment de l'accouchement, et que ça soit spontané ou provoqué pour raison médicale. Et l'enfant n'est donc pas considéré comme mort-né en cas de fausse couche ou en cas d'intervention volontaire de la grossesse. Quel est le statut de l'enfant à naître l'enfant en être peut bénéficier eh, de certains droits si cela est dans son intérêt. C'est ce que permet la théorie de l'enfance conceptus, qui est un principe général de droit au demeurant. Eh, pour bénéficier de la théorie de l'enfance conceptus, l'enfant doit d'abord avoir été conçu au moment de l'événement qui conditionne l'existence eh, du droit en question. Et l'enfant doit ultérieurement être vivant et viable. Et en vertu de la théorie de euh, l'enfance conceptus, on considère que l'enfant à naître est né chaque fois que cela est dans son intérêt. Donc euh, cela lui permet de bénéficier de certains droits, comme s'il avait la personnalité juridique. Par exemple, il peut recueillir une succession, il peut recueillir une libéralité testamentaire. Quelles sont les causes pouvant entraîner la fin de la personnalité juridique En principe, la personnalité juridique prend fin à la mort. Mais il faut distinguer deux situations ici. La mort certaine dans les cas où l'on est certain que la personne est décédée et la mort incertaine dans les cas où il existe un doute sur la mort de la personne. Par exemple, la personne a disparu. Donc, il s'agit de deux situations qui peuvent mettre fin à la personnalité juridique. L'absence qui est le fait pour une personne d'avoir cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa, résidence et sans que euh, l'on ait eu de nouvelles. Dans ce cas, euh, c'est une procédure qui est divisée en deux. D'abord, une présomption d'absence, puis une déclaration d'absence. Bon, ça n'appelle pas de commentaire particulier. Ensuite, la disparition. La disparition, elle peut, être, elle peut euh, comprendre deux situations. Une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et son corps n'a pas pu être retrouvé, par exemple en cas d'accident d'avion ou en cas de naufrage. Son décès est donc probable. Et le décès de la personne est certain, mais son cadavre n'a pas pu être euh, retrouvé. Donc toutes ces situations, lorsqu'elles sont établies, entraînent la fin de la personnalité juridique. C'était là la rubrique hebdomadaire Justice. À présent, nous allons encore une fois de plus déguster de la zik. Le titre qui suit est une belle sonorité, une belle preuve d'amour des maris artistes à s'attendre tendre épouse. Sans plus attendre, voici pour vous Dina de l'artiste Barakina. On écoute. sai da ni sai da ni sarki komi battai sai da ni battai sai da ni kuma batta sa da ni batta sa da ni ita bata shi sai da ni bata shi sai da ni abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi sai ta ce sai da ni sai da ni sai da ni c'est Denis, mama kibatsani dangi kibosani ba. amma ke kin sani na soki na sanda kensoni be ke zaki cece mu ke zaki keza zaki cece mu ke zaki ce musu ba za ni cuce ki ba shagali shagali dali ni da ke za mu shan shagali kamfani kamfanin kamshi za ni ke shagali bar yi bar yi baby kowa na da aikinsa lokaci lokaci ya kai kuma alkawali ya cika komi batta yi sai da ni hmm, batta yi sai da ni Le titre de cette chanson, c'est le nom de l'épouse de l'artiste elle-même, une dédicace faite à cette dernière à l'occasion de l'annonce de leur fiançailles. Les paroles de cette chanson montrent la patience et l'amour de son épouse, qui a su mettre la barre très haute pour le triomphe de leur amour. Amour qui a abouti au mariage. Eh et, récemment, Dieu leur a fait grâce d'un joli bébé. Félicitations, au couple! Après cette belle sonorité musicale, chers auditeurs, à direction Maradi, la capitale économique pour l'écho des régions. L'électricité bâtiment n'est plus la chasse gardée des hommes. Les jeunes filles s'y intéressent également et se spécialisent. La tendance est en train d'évoluer dans ce sens. Et oui, une situation qui est très appréciée par les acteurs du secteur. Suivant ce reportage de Mohamed Moman Ici, nous sommes sur un chantier de construction d'un bâtiment à l'aéroport de Maradi. Parmi les manœuvres figurent des jeunes filles qu'on aperçoit en haut du bâtiment. Elles sont électriciennes et apportent leur soutien aux installations électriques. C'est le cas de Mariama Omaru Isaka en stage de perfectionnement. Elle précise adorer l'électricité bâtiment depuis qu'elle est toute petite. Eh, c'est un métier qui me plaisait et j'ai eu des parents qui m'ont encouragé pour réussir. Ainsi, elles m'ont apporté tout leur soutien, étant donné que c'est une passion pour moi. Effectivement, je peux faire l'installation puisque j'ai fait des études sur ça. Présentement, je suis en stage et nous sommes bien encadrés. Et monter sur le toit peut partie de notre contrat. Et je n'ai pas peur car je suis très engagé. C'est vrai, le début est difficile, mais après ça, il facile. facile. Sur ce chantier, ces filles ne sont pas considérées comme un complément d'effectif, mais des éléments à part entière. Et leur contribution est plus qu'appréciée par le superviseur des travaux de l'installation électrique, à Seydou. Ceux qui sont avec moi sont des stagiaires en phase de l'obtention de leur diplôme. Et pour cela, c'est une obligation de faire un stage de perfectionnement. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans une période où il n'y a pas un travail qu'une fille ne peut pas faire si elle est courageuse. Et pour nous, c'est une avancée parce qu'elle arrive à travailler dans des maisons où la présence des hommes n'est pas autorisée et elle apprend bien au point de pouvoir faire une installation électrique. Présent sur place pour superviser l'évolution du chantier, Elaj Maharouf Maman Issa, le PDG de l'entreprise, affirme que voir ces jeunes filles se battre comme des hommes est une fierté. Pour lui, elles ont compris aujourd'hui le temps des activités réservées uniquement aux hommes est révolu. Personnellement, quand j'ai vu j'ai été émerveillé et ça m'a donné le courage de prendre l'engagement de les aider tant que faire se peut. Je suis très content. Je souhaite tout le bonheur pour leur avenir. Il faut le dire, elles seront un exemple pour les autres jeunes filles. On ne parle plus des métiers uniquement réservés aux hommes. Les femmes sont plus nombreuses, donc elles doivent apprendre tous les métiers pour s'en sortir. Il n'y a pas d'hommes ou de femmes. qui Dieu les accompagne. À Maradi, depuis l'ouverture des centres de formation technique, elles sont nombreuses les jeunes filles qui se forment dans des domaines jadis réservés uniquement aux hommes. Aujourd'hui, elles n'ont plus peur de se salir ou de se casser les ongles et apprennent la mécanique, la menuiserie, l'électricité, la plomberie et bien d'autres. Voilà, un coucou à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur les radios Tarmamois de Tessawa et Anouri de Mayaï dans la région de Maradi. À présent, accueillons notre chroniqueur sportif Assoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Rabi, bonjour euh, Semira. Bonjour, actualité oblige, nous ouvrons cette édition sur le plan continental avec la fin de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Oui, Samira, il faut noter que les Ivoiriens ont remporté la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations hier dimanche au stade d'Alassane Ouattara d'Abidjan, en battant le Nigeria sur le score de 2 puis à 1. Pourtant, c'est les Super Eagles du Nigeria qui ont ouvert euh, le score à la 38e minute de jeu par l'entremise de leur capitaine Williams Tross Ekong. France Kessie égalise à la 66e minute de jeu 15 minutes plus tard, Sébastien Heller marque euh, le deuxième but des éléphants. Il remporte euh, la canne 9 ans après leur deuxième triomphe. Je vous dis à cette compétition en, en 2015, 32 ans après leur euh, premier trophée en 1992. Alors, moment-là, parlons à présent des gazelles du Niger qui séjournent au Maroc aux éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 FIFA. Deuxième tour, zone Afrique de football. Oui, Rabia, les Nigériennes ont été en tout cas concassées 22 buts en deux matchs au Maroc. Et euh, oui, et les gazelles U17 ont été battues en match aller par celle du Maroc sur le score euh, de 11 buts à 0 vendredi dernier au stade de Berkane. Au match retour également, les gazelles du Niger ont été malmenées euh, par les lioncelles de l'Atlas sur le même score de 11 buts à Zéro. nous allons parler de l'escrime avec un jeune Nigérien qui fait la fierté du pays à l'étranger. Oui, Samy, euh, il s'appelle Evan Abba, il a 19 ans, étudiant en France. Il a représenté le Niger plusieurs fois à des compétitions internationales. Actuellement, il fait partie des espoirs mondiaux dans cette discipline. Cinquième au championnat du monde junior d'escrime en 2023, deuxième au championnat d'Afrique junior, troisième au championnat senior. En 2023, il a représenté le Niger au Grand Prix d'Orléans en France après avoir défendu le pays en Coupe du Monde tenue en novembre 2023 à Alger. Ce qui est remarquable, il faut noter, le jeune Abba Even a toujours représenté le Niger à ses frais. Pour mieux euh, préparer d'ailleurs euh, ses prochaines rencontres pour les Jeux olympiques de Paris 2024, il demande la bénédiction des autorités du public nigérien et du comité olympique nigérien. Le Niger a des potentialités, Rabi Sami, il faut le noter. Et voilà pour le sport. Voilà, Asumi, est-ce que tu peux expliquer ce sport, l'escrime, à un de tes cousins de Kagibango Oh, une belle question. <laughs> En termes facile euh, faciles. Ah, oui, euh, c'est un sport de combat. Il s'agit de l'art de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sur une partie valable sans être touché. En escrime, on utilise trois types d'armes l'épée, le sabre et le fleuret. Voilà. Merci, beaucoup pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir nos stars du jour. Et le portrait de ce lundi 12 février nous amène à la découverte de Big Fadi Dita Fadi Hassan Mossi. Artiste compositrice nigérienne, Big Fadi est basée à New York, aux États-Unis d'Amérique. La star du mouvement hip-hop nigéro-américaine explique ses débuts au micro de Tarnan Fouday Ahmed. Big Fadi, de son vrai nom Fadi Hassan Mossi, artiste compositrice nigérienne basée à New York aux États-Unis d'Amérique. Étoile montante de la musique moderne, la jeune rappeuse qui a débuté en 2015 n'a fait réellement parler d'elle qu'en octobre de cette année qui s'achève. Décomplexée dans son dressing qui reflète la sociologie du rap, la superstar du mouvement hip-hop américano-nigérien explique ses débits. Honestly, je fais la musique parce que j'aime chanter. C'est quelque chose de sérieux, sérieux, sérieux. Mais genre, ça me libère, tu vois. C'est une passion. J'ai commencé à faire des covers sur Instagram vers 2015. Ensuite, 2019, en décembre, j'ai sorti mon premier son. Ça s'appelle Slow Down. Et puis voilà. Simple amatrice au départ, Fadi fait parler de sa passion et découvre rapidement son talent. Le secret de son expansion au-delà des frontières new-yorkaises se trouve dans les titres de sa chanson Aban, qui veut dire c'est fini en germain, la langue maternelle de Big Fadi. C'est vraiment un son que tout le monde peut relate et j'essaie de target beaucoup de générations, même de 10 ans, vous pouvez écouter voix. Je pense que je fais un good job. À New York, il y a des lieux légendaires que j'ai performé. SOBs, Apollo Theaters, Times Square Palladium. Mais euh, il y a plein de personnes qui vont venir et dire, ouais, je veux t'aider, mais bon. Ils savent pas ce qu'ils font eux-mêmes. So, il y a juste quelques petites difficultés comme ça, mais pas beaucoup. Ibrahim Ayouba, un Nigérien vivant à Harzburg aux États-Unis, vient de rencontrer la Big Fadi. Il avoue être son fan numéro un. Je viens juste de la rencontrer. Euh, c'est une personne très cool. J'ai entendu ses sons et ça fait un plaisir de les rencontrer. Ouais, je suis son fan numéro 1 Kadi Hassan Moussi est la sœur jumelle de Big Fadi. Elle est aussi son manager et suit attentivement l'évolution de sa protégée. Sourire aux lèvres et dans une ambiance détendue, elle nous livre ses témoignages. Fadi se débrouille très bien. C'est une fille très intelligente. Et elle a toujours pris ça comme un loisir. Genre, ça lui vient naturellement. Donc, ça a toujours été quelque chose qu'elle a toujours voulu. Sans nécessairement penser l'ampleur que ça peut prendre. Et pour les gens qui savent pas, Fadi, elle se record à la maison. Et ça a pris, alhamdulillah, parce que le talent parle au fait. Big Fadi est sans nul doute la révélation de l'année 2022. La jeune rappeuse nigérienne ambitionne de revenir au Berkay pour chanter son titre phare Aban avec la population de la capitale Niamey. L'année passée, à la même période, elle a décroché son bachelor. Big Fadi, contrairement aux autres artistes, déclare ne pas rencontrer de grandes difficultés. Alors, après ce portrait très inspirant, bouclons notre playlist musicale spéciale Amour à la Nigérienne. C'est le terminus, car la finalité de tout cet amour, c'est le mariage, non Eh oui, en tout cas, c'est le vœu de beaucoup de personnes. Donc voici pour vous Dede Ranamu de MDM Crew. On vous laisse kiffer. joie. Auquel joie couder, pour c'est toi la plus belle. J'ai fait le serment devant Dieu, bébé, d'être ton meilleur. C'est ton jour today, c'est ton jour le plus beau. Tout ce monde, tout baby de toto meje Jorana kite, jorana mute Je fais laisse comment de Dieu baby de toto meje Quand Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. 11 heures passées de 48 minutes. Si vous nous écoutez à Niamey, c'est sur la radio Scout FM sur le 90.9 MHz et sur Canal 3 sur le 90.0 MHz. On va parler maintenant de notre rubrique Loti qui parle aujourd'hui des préjugés envers une personne. Reki Arimi et Fanta Shamsou nous entretiennent sur le fait d'avoir des jugements hâtifs envers une personne. On les écoute. Affairage, affairage, affairage, affairage. Hamsou, Hamsou, quoi encore Regarde la dame là. Comment peut-on s'habiller et sortir ainsi On dirait qu'elle n'a pas de parents à la maison. Et des cinq. Hamsou, tu es sûr, ça va depuis là, je te parle et au lieu de me répondre, tu comptes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu comptes même Je compte le nombre de fois que tu juges une personne dans la rue, juste en la voyant. Tu ne fais que ça depuis ce matin. Tu juges, tu juges, tu juges. Ça suffit, Mana. Juger Je ne juge pas, Wallahi. J'ai dit juste ce que je vois. Hmm. D'abord, c'était une femme qui rentrait dans un bar. Et juste pour ça, tu l'as traitée de prostituée. Toi, si elle n'est pas prostituée, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans un bar Acheter à manger, par exemple. Il y a des bars qui offrent de très bons menus et qui font de très bonnes bouffes. Hey, une bonne femme n'entre pas dans un bar et puis c'est tout. Ensuite, il y a mon collègue que nous venons de rencontrer. Juste parce qu'il porte des locks, tu penses qu'il fume ganja. Hum, hum, hum, Arrête de modifier ce que j'ai dit. Toi, qu'est-ce que tu as dit Moi, j'ai dit que s'il ne fume pas ganja, c'est qu'il est fou. Parce que s'il n'était pas fou, est-ce qu'il allait laisser ses cheveux pousser comme ça hmm. C'est justement cela qu'on appelle avoir des préjugés, Kadi. Roger, c'est une très bonne personne. Combien de fois je dois te dire qu'elle n'est pas partagé les mêmes valeurs, la même vision ou les mêmes points de vue que la personne ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Avoir des préjugés, c'est vraiment très mauvais. Préjugés quoi C'est quoi ça encore Toi en train de parler gros français là toujours. Hmm, hmm. Kadi, ce n'est pas gros français. Un préjugé, c'est avoir des idées préconçues, c'est faire des suppositions sur une personne par exemple, sans prendre le temps et le soin de la connaître. En gros, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Hé, moi je n'ai rien fait de tout ceci. C'est ma nature. Quand je vois une chose, je parle. Pia. Kadi, tu peux parler autant que tu veux. Le seul souci, c'est de juger. Avoir des préjugés, ça t'empêche de voir la beauté qui se cache en chaque être humain. Imagine si on laissait nos préjugés nous dicter comment percevoir le monde. On passerait à côté de tant de merveilles. Hey, eh, moi, je fais juste partie de ceux qui se fient à leur première impression première impression qui est souvent très fausse. Tu te rappelles la dernière fois que nous sommes allés au marché, tu as mm. juste vu une dame qui t'a regardé et tu as dit qu'elle ressemble à une sorcière ou mhm. qu'elle voulait te manger avec ses yeux. Et quand elle s'est approchée, tu allais même fuir si je ne t'avais pas retenu. Mais lorsqu'elle s'est présentée, tu as toi-même compris que c'était juste une cousine à ton mari que tu ne connaissais pas encore. <laughs> Tout c'est vrai. Je me suis trompée. Mais juste cette fois-ci-là. Hey, que dit Juste cette fois-ci, faut avoir peur de Dieu. Hein. Toi, tu te trompes presque tout le temps. Tiens, la petite sœur de ta voisine Zara, que tu traitais de débauchée, parce que tu la voyais traîner avec ses amis dans le quartier. Tu jurais qu'elle n'allait pas avoir le bac. Elle l'a eu ou pas Elle l'a eu, wallahi. Et ce n'était pas la seule fois. C'est devenu une habitude pour toi sans même que tu ne t'en rendes compte. Wallahi, c'est vrai. Maintenant que tu me parles, je me rends compte à quel point je suis remplie de préjugés. Mais qu'est-ce que je dois faire pour les éviter C'est très simple, Kadi. Prends le temps de te remettre en question. Tu dois aussi arrêter de faire des jugements hâtifs. Apprends à connaître les personnes avant de tirer des conclusions. Chaque petite action compte. Si chacun de nous fait un pas vers la compréhension et l'ouverture d'esprit, nous pouvons changer beaucoup de choses. Wallahi, tu as raison, Hamsou. Je m'y mets tout de suite. C'est juste que parfois, c'est tellement facile de se laisser emporter. C'est tout à fait normal, Kadi. Personne n'est dit que c'est facile, mais ça en vaut la peine pour ta propre santé mentale même. Hamsou, merci de m'avoir ouvert les yeux sur ces sujets. Dieu te bénisse. Amen. auditeurs, c'était le loti du jour. Merci aux filles euh, pour euh, cet humour et euh, cette éducation ah hum, en, humour. <laughs> On passe à la découverte des mots et expressions dans la culture linguistique en français et en anglais avec Samira Oumarou qui nous explique le mot love, amour en français. Chers auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue dans votre émission Culture linguistique. Cette année, nous la débutons en partageant beaucoup d'amour autour de nous. D'où le mot du jour amour. Que veut dire amour en anglais? Amour veut tout simplement dire love. Love is a very strong feeling of liking and caring for someone or something. C'est-à-dire que l'amour est un sentiment d'attachement envers un être humain ou une chose. L'amour se manifeste par plusieurs manières, notamment la bonté, la compassion, le respect et surtout le pardon. You have many ways to express your love, including kindness, respect, and forgiveness. Prenons un exemple tout simple. I love you, qui signifie je t'aime. Et vous répondez I love you too, qui veut dire je t'aime aussi. You are the love of my life. You are the love of my life. That means Tu es l'amour de ma vie. Et vous répondez, It is a pleasure to hear that. C'est un plaisir d'entendre cela. Un dernier exemple. The opposite of love is not hate, it's indifference. Qui veut dire que l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. L'amour est un sentiment qui nous rend créatifs, nous illumine et surtout nous permet de faire face aux difficultés de la vie. Chers auditeurs, je vous invite à cultiver l'amour autour de vous. C'est sur ce mot que je vous dis merci. That's all for today. Take care of you and I hope you will have the love of your life. Goodbye and thank you. Ravi, you are the love of my life. <laughs> Il y a beaucoup d'amour sur cette émission. Exactement. Alors tant mieux. Merci pour cet éclaircissement sur le mot love. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais comme tout à l'heure, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Écoutons ensemble les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana Mustapha Mahmudu da ke Madobi. Gaskiya shirye-shiryen Studio Kalangu suna burge ni musamman ma shirin da suke yi na na faɗakar da matasa na ƙarshen makon na wanda suke shiryawa da halishan Faransanci da na zabarmanci da na hausa gaskiya wannan shiri yana wayar da mu musamman ma mu matasa saboda matsalolin matasa ne ake ɗaukowa ana wayar musu da kai yadda za su samu su ci gaba gaskiya studio kalangu muna alfahari da ku muna so ku ƙara inganta shirye-shiryenku musamman ma bisa kan harkar matasa. Sunana na nisuwai ba mutanen gunnaka. A matsayin na na mai sauraren radio lokacin wannan sidiyo in yayi ina kamo shi saboda harakan mu ce ta yaran mu uwayen diya kuma na hidda kai duka ma musulmi dai kowa na karuwa to saboda haka ni ma ina sauraren shi ina cinta abubuwa daga ciki na karuwa saboda tun da shiri ne da ake yin shi yana faɗakarwa yana waye kan mutane kuma al'amarin nan mutum da yawa na karuwa da shi kuma mu ma muna sauraren shi matsayin mu na manya uwayen diya kuma alheri ya shige gaba kuma muna fatan Allah ƙara hasken kwalwa kuma al'amura su yi ta ci gaba a ƙara ilimi da yawa ana faɗakar da mutane mu duk shirin da suke duka dai wanda aka faɗi ba na shirme duka duk wanda aka faɗi in dai an faɗi da harshen Hausa muna ji kuma da abin da aka faɗi dai daga ciki Allah sa albarka eh dai akwai wanda za a ɗauka a yi aiki da shi ko babba ko yaran duka akwai na karuwa ciki eh tunda kuma duk wani abubuwan ba ka sanin shi sai wurin su su bayyanar da shi kuma muna jin shi suna haɗi dai fatan da muke Allah sa a yi aiki da abin da aka ji na karuwa wanda kuma aka ji ya zama yawa kuma sai ayi kuma haƙuri da shi eh bare dai duka ma dai dai wadakarwa ce ake yi eh ana dai ƙara ƙasa ne dai abin da za a hidda ta eh Allah taimaka kuma ubangiji Allah ya ƙara ba da haske cikin al'amarin eh, ina gaida kowa da kowa ma'aikatan cdo eh alherin Allah ya kai musu ina ji duka dai duka wanda ake na rayuwar matan eh muna ji suna yin shi sunana abu gama mai biredi muna sauraren shirye-shiryen studio kalangu lokaci zuwa lokaci amma cikin shirye-shiryen da nake saurari wanda dai na dan ba da mahimmancin sauraren su akwai shiri wannan na waye kan matasa game da wannan shaye-shaye haka da sauran irin ayyuka na ɓata gari haka na matasa kuma da jan hankali ga matasa domin su kama sana'a ita ce ta yi mahimmanci a gare su to wannan shirin gaskiya ina bibiyar shi da kyau kuma kamar ga yadda suke da kokari don samun jawo hankalin matasa a guji wannan ɗabi'u na shaye-shaye da sauransu kuma da eh, a kama sana'a don a dogara ga kai ni abin da nake so kamar wannan shiri na jawo hankalin matasa shine nake so a ƙara ƙarfafa shi in so samu nema a ce a ko da wani lokaci sahi da mulci Eh ben, nous sommes à la fin de cette édition de notre émission Le Niger sur Kalangu. C'était un immense plaisir d'être en compagnie euh, de vous, chers auditeurs, en ce début de semaine. Vous étiez en compagnie de Ravia Mekano et de moi-même, Samira Rafi. Demain, vous retrouverez Salamatou Kadiri et Habiba Ahmed. À la technique, c'était Issa Lawali et la grande dame Adama Dawaki à l'édition. Passez une bonne fin de, de journée et un bon début de soirée en compagnie des programmes du studio Kalangu à partir de 17h.